Merci beaucoup. Donc, je m'en vais euh, présenter euh, ce groupe, n'est-ce pas, Texcom, TV euh, Bamba, PDG Machambasek. Donc, c'est les PDG vraiment du groupe Texcom TV Bamba. Ils sont installés là à Joal et ils sont en train de faire du bon boulot au niveau de la commune. Donc, vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue. Applaudissez très fort pour les PDG et son équipe. Applaudissez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez la bienvenue, que la fête soit belle. Merci infiniment. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez très fort. Et documentara, documentaire. Again, clap your hands again, again, again. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Voilà donc, euh, merci pour cette chanson vraiment euh, de bienvenue. Euh. donc, ce qui veut dire que il y a un parent d'élève. C'est un homme qui ngeen toog xaar bu kenn yàkkamti la mission est directeur régional de la BAHS de Thiès, Monsieur Moussa Bourissal, expert en gestion, axé sur les résultats et finances publiques, et en même temps consultant du projet APT pour sa généralisation au Sénégal. M. Euh, monsieur Massambasek, euh, donc euh, directeur général de Texcom TV. Messieurs les chefs de service, Monsieur le coordonnateur du mouvement Action sociale du professeur Dao Messieurs les enseignants en service comme à la retraite, chers parents, chers élèves, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle des activités du gouvernement scolaire du CM Lamine Senghor. Vous avez accepté notre invitation et vous avez tenu à rehausser de votre présence massive cette cérémonie, malgré les calendriers chargés. Nous vous en sommes très reconnaissants et soyez-en remercier très sincèrement. Une mention spéciale aux enseignants qui sont là, donc euh, présents, donc euh, les chefs d'établissement, les directeurs, donc euh, à tout le monde, à toutes ces personnalités qui ont sacrifié donc de leur temps pour nous honorer. aussi dans ces remerciements les anciens élèves donc, du CM Lamine Senghor, et comme je le viens de, le dire tantôt, euh, Monsieur Ndiaye, Mamadou Moussa Bourissal, M. Massamba Sek, donc euh, tout ce beau monde, donc euh, c'est des anciens du CM Lamy Senghor, mes promotionnaires à moi. Donc euh, vraiment, je pense que c'est un énorme plaisir vraiment de vous accueillir et c'est un honneur pour nous. Soyez-en encore remerciés. J'associe également donc euh, dans ces remerciements les deux amicales composées d'anciens élèves toujours du CM Lamine Senghor. Bon, qui nous ont retapé chacune un bloc de cinq salles de classe qui étaient dans un état de délabrement très avancé. Il s'agit précisément de l'amicale des anciens du CM Lamine Senghor présidée par Madame Aou et celle des amis de Joal présidé par M. Ibrahim Assal, fils de notre ancien professeur Feu Maïssa Sall, paix à son âme. En tout cas, merci de nous avoir apporté l'aide dont nous avions besoin, à savoir la réfection des deux blocs de salles de classe. À tous les parrains, sans exception, à tous les honorables invités, merci de vos soutiens qui nous vont droit au cœur. Permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage aux chefs d'établissement à la retraite, aux enseignantes à la retraite qui sont là, donc euh, à mon prédécesseur, M. Mathias Samba à tout ce bon monde, des gens qui ont tout donné donc, à l'école sénégalaise. Donc euh, je leur rends un vibrant hommage. Je voudrais également dans cette même lancée, remercier donc de leur présence toujours euh, les surveillantes générales donc à la retraite qui étaient là avec nous. Donc euh, il y a Madame Nilan Faye, merci d'être là. Il y a aussi Madame Lo, vraiment, donc euh, vraiment on est très content. Vraiment, merci d'être avec, avec nous. Mention spéciale aux encadreurs du gouvernement scolaire. Avec maintenant, comme chef de file, vous avez M. Adama Sagne, l'infatigable Adama qui n'a ménagé aucun effort, qui ne ménage aucun effort vraiment pour la vie scolaire. Monsieur Sagne, vraiment, on te remercie intensément. On hommage aussi au corps professoral, aux surveillants pour le travail que vous abattez quotidiennement au bénéfice des enfants. À travers cette cérémonie, l'occasion nous est donnée de promouvoir l'excellence en décernant des diplômes aux meilleurs élèves. L'intronisation du roi et de la reine du CM est prévue aussi. Et je voudrais, avec votre permission, rendre toujours un hommage mérité à l'infatigable Aïssata Sall, Madame Won, surveillante générale au CM, qui en est l'initiatrice. Merci Madame Won d'avoir été engagée pour la réussite de cette initiative si motivante. Je n'oublie pas dans ces remerciements tous les chefs de service ici présents, les parents d'élèves et les élèves venus des autres établissements. Chers parents d'élèves, il urge aujourd'hui que vous accomplissiez la mission qui est la vôtre, celle d'éduquer les enfants celle de les contrôler et de les encadrer. Bref, celle de les accompagner au quotidien dans leur scolarité. Cela nous conforterait davantage dans notre tâche de formateur et de pouvoir former des citoyens pétris de valeurs. Chers élèves, je vous exhorte au travail pour hisser votre CM parmi les meilleurs dans le Sénégal d'une manière générale. Comme il l'a toujours été, un CM d'excellence. Cet objectif ne peut être atteint que si et seulement si vous respectez le règlement intérieur de l'école. Si vous êtes volontaire et ambitieux, si vous respectez vos professeurs, si vous faites preuve de patriotisme, si vous restez dans les bonnes grâces de l'administration, et enfin, si et seulement si vous faites des efforts persévérants. Honorables invités, mesdames et messieurs, quand je vous vois nombreux, je me dis qu'un espoir est en train de naître, celui de voir une communauté qui a fait de l'éducation sa priorité. Ainsi faudrait-il le rappeler, le CM Lamine Senghor, ce temple du savoir qui a produit beaucoup de cadres, mérite une image autre que celle qu'il présente aujourd'hui. L'établissement vit des difficultés au quotidien le manque d'ordinateurs. Et si je ne me trompe, nous n'avons que 8 ordinateurs pour 886 élèves. Une salle multifonctionnelle, un bloc sanitaire pour les élèves, et j'en passe. Donc, euh, dans ce cadre précis, vous voyez 8 ordinateurs pour euh, un effectif de 886 élèves. Donc, vous savez, vraiment là, c'est difficile. Et c'est l'occasion peut-être aussi de féliciter et d'encourager d'encourager et de féliciter M. Alassane Mbaye, voilà, qui vraiment, malgré les maigres moyens, malgré les moyens limités, euh, essaye tant bien que mal à assurer la formation des enfants en informatique. Voilà. Je lance un appel aux autorités ici présentes, aux partenaires, aux bonnes volontés, de venir en aide au CM pour qu'il puisse retrouver son lustre d'antan. Investissons sur l'éducation de nos enfants un investissement sûr, d'autant plus qu'il porte sur la formation des futurs dirigeants de ce pays. Que le Seigneur bénisse toute l'assistance. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aminata Sow n'est pas là. Aminata Sow Oui, Aminata Sow. Aminata Sow. Aminata Sow, Aminata Sow, s'il vous plaît, Aminata Sow. la famille royale. Lamarana Ba. Lamarana. Lamarana ñëwul Voilà Lamarana. Eh tas leen le baax c'est le royaume hein, du gouvernement scolaire. Mohamed Sinjon, yaayam su fi Merci chers invités. Ça se passe ici à la mission. Awan qui vient de l'école Saint-Thomas. Anamu. Madame Awa Ndiaye. très bien, elle est là. Donc, euh, levez-vous. Et eh, eh. eh, Voilà, on va faire des ambiances. les Voilà, merci. Voilà. C'est le directeur de saint Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça se passe ici à la mission. Un événement, un événement qui sera gravé dans la mémoire de tout un chacun. Merci chers invités. C'est la partie la plus importante. Un moment vraiment qui sera inoubliable. Merci beaucoup chers invités, les autorités qui sont là aujourd'hui. Merci infiniment M. Guy. Merci beaucoup. Merci Guy. Docteur, merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce divine vous suive partout. Donc le roi Maïdjouf, Maïdjouf, Anna Maïdjouf. Voilà, très bien. Donc Maïdjouf Migini. Très bien. Donc euh, euh, marraine bi Migini, euh, Le directeur le centre 3, s'il vous plaît. Euh, l'ancienne école, de ce euh, du roi, je veux citer Mbaye Merci. Donc Merci beaucoup. Et eh, vos applaudissements, s'il vous plaît, applaudissez très fort. Merci que vous barra barra barra une fille, Nena len fi li mo gën ci événement lepp vous def li mo ci vie manam bu ñuy primer élèves yi le donc c'est une partie très très importante un moment vraiment à ne pas manquer à ne pas rater un souvenir euh, qui sera indélébile dans la mémoire de chacun donc euh, merci beaucoup donc, euh, représentant famille Messa Salou, Aïcha va mettre, n'est-ce pas, un ruban, disons, ou une robe euh, au roi. Et, quand tu un bout de roi, le roi, ça c'est le roi. Le roi, merci, roi Mbaye Diouf. Waouh, Légui. euh, Guichet. Waaw Guichet wax ci tuuti waay ci Mbaye Diouf waay ci Diouf waay. tàcc leen Diouf ñu xabaay Samba buuru gaañi. kii mooy sëtu buur Sine Kumba Ndoffène Jouf. tàcc leen waay ana séeréer yi. Mohamed Sidiou, ah, ok. Hmm, Mohamed Sidiou, Kai. Voilà, lui c'est la maman de Mohamed Sidio. C'est bon, Mohamed Sidiour. Mangé voilà. Moussa Mohamed c'est waaye Oustaz Mohamed Sijo yaayam mi ngi nii kii mooy yaayam sa maman est là Mohamed Sijo voilà c'est bon c'est bon Moussa Fagnan c'est ça va bien 22, merci beaucoup applaudissez il est là en blanc couleur de la paix. Merci beaucoup infiniment, mon cher. Allez, applaudissez. Et eh, Tachou est élève, donne un Tachou. C'est bon, Tachou Lembok Alors, ok. Maître Khadi moi, moi, parrain, bi, ah, parrain, bi, nanyo, école Saint-Thomas, ah, fofu la jaar, ndessan, jaar, jaaram, ñe ñew dañ ci école Saint-Thomas très bien. Mais, eh, Tachou Lembok, pour Saint-Thomas, ils sont en train de faire un travail incommensurable. Merci beaucoup à, ah, à son directeur, à tous les collègues de Saint-Thomas. Vous faites un travail remarquable au niveau de la commune. Hein. Merci à Wali Diouf. Hein. Merci à Joa 3, à Domissa. Maître Khadigay. Khadigay, s'il vous plaît. Maître Khadigay. Khadigay. Anna Khadigay. Merci beaucoup. Voilà. Allô, allô. Merci. Merci. OK. Merci. Merci. Très bien. Aminata Sow. Anna Aminata Sow. Aminata Sow. Uh-huh. Aminata Sow. Aminata Sow, s'il vous plaît. Nous allons nous dire sa récompense. Aminata Sow. Aminata Sow, Aminata Sow, le Bok. T'as sa récompense, Sow hein. Anna Aminata Sow. Beaucoup Oui, c'est sûr, hein infiniment à tous les professeurs de mission les professeurs de sciences du CGO des lettres les professeurs d'anglais d'espagnol d'allemand merci infiniment de par votre courage votre abnégation votre travail et je, suis en face d'un grand professeur du CGO je veux nommer Monsieur Ba et eh, Monsieur prof du CGO et eh, eh, hein. ah, merci beaucoup merci C'est Faye elle est là Abdou Khadir Ndiaye ñëw leen ngeen j'ai seen eh, ancien élève de la mission Abdou Khadr. Abdou Khadir Ndiaye Abdou Khadir Ndiaye ñëwul bokk leen très bien eh Abdou Ndiaye il est ancien élève de mission mission. il a toujours euh, vraiment euh, donné vraiment euh, le courage le directeur de Saint-Thomas Et eh, il revient directeur train va revient. c'est eh, un et Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, les enseignants infatigables, vraiment. Nous vous saluons de passage. Monsieur Mbandiaï, un grand professeur de ce jour, qui a laissé un travail remarquable, n'est-ce pas, euh, à l'ancienne de l'école. Son nom est Chongan, un professeur inédit, un grand professeur. Monsieur Tendin, Mme Merci beaucoup, Monsieur Tendin, Monsieur Faye prof d'anglais, monsieur Faye, SVT, monsieur euh, SVT, monsieur euh, euh, Bajan, prof de lettres, monsieur Sissoko, le grand professeur de lettres. De passage, nous vous tirons un chapeau, nous vous tirons un chapeau. directeur école le directeur de l'école s'il vous plaît votre présence est vivement souhaitée merci. Ouais. Directeur Wally Diouf, très bien. Donc vous voyez, hein, donc, euh, les élèves euh, passent par euh, l'élémentaire. Euh, non, d'abord, euh, la carte du tout petit, l'élémentaire, le élémentaire, collège, etc., lycée, ensuite l'université. Voilà, merci. Merci. Monsieur le principal, mesdames les messieurs, mesdames les surveillantes générales, monsieur le président de l'APE, Mesdames, Messieurs les parrains, chers invités, chers élèves, en cette occasion solennelle qui consacre la clôture des activités du gouvernement scolaire du Semblem Senghor, c'est pour moi un grand honneur et un immense bonheur de prononcer cette allocution sur le thème école et société. L'une des finalités de toute éducation et de faciliter l'insertion harmonieuse des produits de l'école dans la société où ils seront appelés à vivre. Les sociétés se distinguent par leur civilisation, leurs valeurs morales et culturelles fondées sur un ensemble de systèmes de croyances et de représentations collectives. Aspire à l'unité en début de leur diversité. L'idée de citoyens du monde appuyée aujourd'hui par celle de villages planétaires milite en faveur de l'événement d'une école ouverte sur les réalités du monde dans son universalité. Il s'agit dans une certaine mesure de reconnaître avec Emile Durkheim que l'école, que l'éducation veut réaliser en nous, ce n'est pas l'homme tel que la nature l'a fait, mais tel que la société veut qu'il soit. Autrement dit, l'école a l'obligation de se référer aux valeurs cardinales et aux besoins fondamentaux de la société pour réaliser le type d'homme capable de participer activement à l'amélioration des conditions de vie de son environnement. L'école n'est pas seulement un cadre physique fait de bâtiments, de mobilier et d'équipements en matériel dictatique, mais plutôt une entité humaine d'adultes et d'âmes jeunes, enfants et adolescents, unis autour d'un idéal commun à savoir d'un ensemble de finalités éducatives préalablement définies selon le projet de société que les autorités ont l'ambition de réaliser, réunissant en son sein des apprenants et des enseignants d'origine et conditions diverses. L'école apparaît comme une société en miniature avec ses multiples conflits et contradictions internes, mais également subissant des influences extérieures et des agressions de toutes sortes. C'est face à tout cela que je tiens à inviter mes camarades élèves à relever à relever le défi de la formation car la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et c'est avec cette arme que nous pourrons faire face à toutes ces sortes d'agressions de la mondialisation. L'éminent professeur Serge Ante ne disait-il pas, je le cite, Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Fin de citation. Je sais que l'ennui et le découragement qu'on peut ressentir L'envie de rejeter l'éponge et de se dire ce n'est pas pour moi, donc je m'en détourne. Même si l'apprentissage n'est pas toujours un semé parsemé de fleurs, ça c'est bien que l'école est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à des enfants comme nous. À vous, chers professeurs, nous attendons de vous non seulement instruire et former nos esprits, mais aussi nous éduquer, nous assister psychologiquement quand nous n'allons pas bien. Autrement dit, essayer d'apporter des solutions à nos difficultés sociales. Merci beaucoup de votre attention. Que la fête soit belle. applaudissements Scolaire. Notre mot sera un mot de bienvenue, de remerciement et de gratitude à l'endroit des autorités et de toute la communauté éducative. L'échec scolaire constitue un souci pour tout parent d'élèves. C'est ainsi que notre propos abordera trois thèmes. Tout d'abord, l'indiplice des élèves, nos enfants. Il nous a été rapporté ce phénomène. Il nous a été rapporté ce phénomène à ce qu'il nous semble est en train de prendre des proportions inquiétantes. Faut-il reculer devant une telle tyrannie des adolescents et mettre en péril mille et mille générations Ou faut-il plutôt tirer la sonnette et freiner le processus en vue d'inverser la tendance Ensuite, le deuxième phénomène a trait au mariage précoce. Par ignorance et sans arrière-pensée, Certains parents n'hésitent pas à donner leur fille en mariage contre les dispositions légales. En effet, quel que soit le niveau au SEM, les filles n'atteignent pas encore la majorité. Elles sont encore des mineurs. Enfin, enfin, nous voilà sur les rives des évaluations. Enfin, nous voilà sur les rives des évaluations Diplomante. les résultats du BFM de la session 2020 ont été douloureusement vécus dans notre établissement. Pour éviter les grands développements, nous en appelons à la réaction positive de toutes les composantes de la communauté éducative, parents, administration, corps professoral et surtout apprenants. Vous, nos chers enfants, cet, ensemble, nous y apporterons les réponses attendues. Les autorités du SEM ont déjà pris les devants. Il revient aux élèves, aux candidats de se mettre à jour. Merci. Que la soit. bien loo tee jug soxna si loo tee jug. damay miir. miir moo loo tee jug. waaw. ba nga jógee seen kër loo yëngu. ay tànk. ay tànk moo yëngu nga nga am. waaw. dara ma la woon toog si diggante ñaari góor. yaa Seydou góor pour jigéen lañ ko defar. loolu la may toog. waaw. yow xanaa miiroo. ah sama miir ay góor a koy faj. ay góor moo koy faj. waaw. waaw jigéen ngeen taxaw fële. yaa Seydou damay miir. jigéen ngeen taxaw fële. damay miir. waaw jigéen ngeen taxaw fële. soof ba dee ci kii maa ko bañ rek xool ko kanam gu salte gi ni weerukaayu géej ci formam bi ne jipu évasé ci bakkan bu bon bi xool ko couleuram yu bari exercice ma joxoon def ngeen ko

da nga koy def taawe. waaw waaw wax dëgg yàlla génn classe. waaw yaa fan laay toog. soo jógee nga génn si biir. waaw sama saak bi rek laay bàyyi fii. waaw nga bàyyi si saak. oustaz bàyyi ma bàyyi bàyyi ma toog rek. waaw génnal fii. ku def lu ñaaw bàyyi ma toog. génnal classe. ay oustaz jàpp si jàpp ma si génn yow ay yow baal baalu ma génn classe. Rihard Sor Sangandaay. yow eh as gis-gis. hey. جوكوبي يعد العلم من أهم المتاعب التي يسمع الإنسان ترقيقها سفيا وهو الذي ينيب العقول ويفتح الآفاق وبه ترقى الأمم وتتطور ويقوم بحمل العلم ونحله شخص يدعى بالمعلم ويتوجه شخص بعلمه إلا مجموعة من أشخاص يدعون بالتلاميذ المعلم هو المدينة أساسية بناء السكون حيث لا تتقدم أمة ولا تزدهر إلا بعلمه الذي يحمل معلمه وقادم la la science et l'enseignant la science est considérée l'une des exigences les plus importantes que l'humain demande pour répondre aux souhaits. C'est lui qui illumine des esprits et ouvre des perspectives. Et par elles des nations se lèvent et évoluent. Il porte la science et le transmet. Quelqu'un a appelé le professeur. Et cette personne se dirige avec la connaissance des groupes des personnes appelées disciples. L'enseignant est la pierre angulaire pour former des peuples et des nations. Là, où une nation ne progresse pas prospère pas, sauf avec le savoir que porte le professeur elle le transmet à celui qui fabrique des dirigeants et des présidents. Et dans le passé, il a été dit, qui m'apprend une lettre J'ai bien dit, qui m'apprend une seule lettre Je serai son esclave, dans l'exigence pour la grandeur du statut d'enseignant. Ya Jamir. qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin le prophète paix et salut sur lui a tantôt évoqué la conquête du savoir est une obligation pour tout que ce soit un homme ou une femme yonent bu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sàkku xam si mboolem jullit ci góor ak si jigéen

خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم jangal sa buru borom bu tedd bi الذي علم بالقلم moom mi xamal علم الإنسان